nous avons l'obligation de sécuriser le service public d'abord, parce que moi, moi l'âme d'une mairie, et ensuite de sécuriser nos recettes. De sécuriser nos recettes, parce que si nous avons des recettes, poste de santé, de école, nous clôturer, salaire, nous avons grève, nous faire salaire à la fin du mois. Et pour ces deux raisons, particulièrement, nous allons prendre un certain nombre de mesures conservatoires. Dans son allocution l'autre jour, président de la République il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur. Donc, ni grève, il faut nous donner un salaire. Je suis d'accord. à partir de ce mois-ci, il faut décompter tous les jours d'absence pour cause de grève. J'exécute les directives du président de la République. J'exécute. alors kon ba tax euh,